Nous avons hérité du gavage et nous l'avons adopté, nous aussi. Et maintenant, si les femmes se décident de faire le gavage, elles achètent un poulet qu'elles dépècent pour distribuer et en fonction de l'embonpoint et du comportement, on donne le bec, les pattes, la poitrine. Celles qui sont maigres reçoivent les os. Après cela, chaque femme se prépare pour le jour de la cérémonie de gavage, où les femmes vont défiler. Dans le temps, nous utilisons le couscous à base de sang avec des brisures de mille ou sans brisure. Plus une tasse, on te fait coucher sur le dos et on te gave avec ce mélange. En général, on utilise l'os troué de la pâte de la poule comme tuyau. On te fait boire jusqu'à couper ton souffle. Si on te remonte, on te masse les côtés avec les morceaux de canari cassés pour t'empêcher de vomir. Il y en a qui attendent l'approche du jour de la cérémonie pour commencer leur gavage. Elles utilisent du haricot mélangé avec du mil qu'elles pilent. Elles amènent cette farine dans les jardins. On remplit une grande marmite d'eau qu'on fait bouillir. On te déshabille pour te laisser avec un seul pain. On te couche sur une vieille natte et on te flagelle avec cette eau chaude. Là où cette eau te touche, jusqu'à sentir que la peau va s'effriter, l'effet de la chaleur fera enfler le haricot à cet endroit. Le processus se poursuit toute la journée, marmite après marmite, jusqu'à la tombée du jour. Et quiconque te verra le lendemain se demandera quand est-ce que celle-là est devenue aussi grosse. Parce qu'après chaque séance de flagellation, à l'eau chaude, on la gave avec de la boule. C'est tout cela qui gonfle son corps comme la levure lève la farine de blé. Toutes celles qui ne veulent pas passer par le gavage ordinaire difficile font cet exercice la veille. Il y a aussi un arbre appelé hobok que d'autres font bouillir pour boire, car ça fait aussi grossir. Vous savez, chacun sa manière de grossir. Chez d'autres, c'est la poitrine qui se développe, certains le corps entier. Ainsi, le jour de la cérémonie, les femmes de tous les quartiers vont sortir. Elles seront classifiées en fonction de la corpulence. Les meilleurs se distingueront en dansant les pas des femmes rondes en chantant. Tout cela fait partie du cérémonial du gavage. Nous, nous ne connaissons pas les comprimés de vitamines. C'est pour cela que nous avons tout abandonné. J'étais même tombé malade pendant cinq ans, mais ma voix elle est restée intacte. C'est les pieds qui ne répondent pas. Maintenant, il n'y a plus de gavage. Elles utilisent les comprimés pour se rendre malades par la suite. Dès que tu vois une femme ronde, elle a pris des vitamines. Mais avant, on ne grossit pas facilement. Il faut être forcé par ses parents. Et la principale raison, c'est pour qu'on reconnaisse que la femme d'une telle personne est vraiment bien entretenue barkul ga ba imne wallahi filani a wa tabarakallah